gis nañ nga dem Europe yàggu fa lool ñëw bi nga ñëwaatee ndax nga gisee musique sénégalais bu njëkk ba ak par rapport ak bii nii bu bees bi. waaw gis naa si euh, évolution en avancement quoi parce que euh, bu ñu wax euh, actuellement bon yokku na donc nit ñi gën nañu ci xarañ ça reste juste à faire parce que donc actuellement vous savez c'est la crise donc on n'arrive plus à vendre à cause de la piraterie et tout. Et euh, ben, je pense que donc actuellement au niveau de la BDA, ils sont en train de s'organiser pour euh, que les musiciens essayent de s'en sortir, les artistes, parce qu'on est en plein galère. Donc, euh, tout est chacun. Donc, c'est pour cela, bon, on essaye de se démarquer, essayer de voir euh, comment faire pour s'en sortir sur ce côté-là. Parce que là, actuellement, mon problème participe Et je donc, les euh, musiciens sont par rapport avant. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui veulent embrasser ce métier, mais bon, c'est pas évident, comme on le dit. on est dans un pays de sous-développement et tout ça. Bon, il faut qu'on ait une ouverture pour voyager ou bien pour nous à l'étranger pour nous donner album et tout et Sénégal je pense que comme nous nous avant il y a les cassettes audio mais maintenant il n'y en a plus et euh, bon avec les téléchargements et tout bon on a essayé de voir avec euh, donc euh, d'autres créneaux avec d'autres personnes pour essayer de s'en sortir creuser autre chose quoi toujours qui accompagne la musique est moi solution pour jëmale musique sénégalaise kanam. essayer de se démarquer essayer de se démarquer c'est-à-dire euh, travailler encore euh, donc essayer de de mettre quelque chose en place euh, comme par exemple moi je baigne dans l'humanitaire en France, euh, en 2006, euh, on a fondé une association qui s'appelle Afrique Brassage Culturelle. Et je baignais dedans en même temps, Donc, je bossais dans les trucs humanitaires. Euh, donc, on a fait des clips, même Haïti debout. Quand il y avait le tremblement de Haïti, donc, on l'a fait en France avec d'autres chanteurs. le clip est même donc, visible, donc vous pouvez le voir un peu partout. Et il y avait aussi TV5 qui nous est sponsorisé, il y en a d'autres aussi, Shell. Et ça a été une réussite. Donc, euh, bon, pour moi, je pense que l'artiste doit se démarquer, essayer de, de prendre ses engagements, management, et euh, de creuser donc à côté quelque chose qui accompagne toujours son art. C'est très important. Mais bien que France, euh, li nga fi bàyyi woon ak li fi ça fait deux est-ce que yow yaa ngi top rythme pour xam rythme bi nga xamante actuellement. je vivais avec mes propres idées donc parce que way moom noonu le mel ku nekk ak sa idée donc fu mu toll bon euh, y a des bas il y a des hauts y a bon toujours comme li ñu wax rek mais képp ku génnee euh, album rek il a mérité donc félicitations mais toujours foofu la idée outé, ute euh, donc ku nekk sa fu sa niveau toll rek moom ngay génnee et bon je pense que je me conseiller moi que ñu temps pour sur un album pour respecter aussi les gens pour essayer d'écouter aussi l'autre côté du monde euh, ce qu'ils sentent sur ta musique euh, pour que nous nous parce que affaire bien une course de vitesse euh, comme li ñuy faral nous ne pouvons pas ngi chercher ouverture que ce soit ici en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis